Nigériennes, Nigériens, mes chers compatriotes, une nouvelle maladie est parmi nous, un mal aussi risqué que dangereux, le Covid-19. L'artiste s'exprime. Au rythme du Niger, studio Kalangu, Dondongonea. Fondation Hirondelle. Ladies and gentlemen, nous vous souhaitons la bienvenue, la bienvenue sur votre rubrique intitulée Covid-19, l'artiste s'exprime. Le coronavirus est encore là, la pandémie n'est pas finie car le virus circule toujours. Nous, surtout Salafada, à travers la rubrique euh, Covid-19, l'artiste s'exprime. On continue le combat contre la maladie tant qu'elle continuera à se propager. Nous serons des tchés contre le Covid ou la Covid-19. Aussi, vous le savez, on reçoit à chaque fois un artiste chanteur impliqué dans la lutte contre la Covid à travers une interview. Cette semaine, ladies and gentlemen, nous recevons un taureau, un dinosaure de l'Est. Et oui, il est appelé ainsi dans son fief, la capitale du Damagaram, la ville des mille collines. La musique dans toutes ses formes et dans ses dimensions, l'artiste est pétri de talent. Il a chanté dans le temps Aouré, un artiste qui n'est plus à présenter par ailleurs, membre du bureau régional Zender de l'association des auteurs-compositeurs, interprète des métiers de la musique à Il est en ligne avec nous pour parler du coronavirus, des actions artistiques menées dans ce sens au sein de la capitale du Damagaram, Zender. Chers amis auditeurs, recevons Alia Chibili. La voix est portaise. Elle écouter par la jeunesse zendéroise. allez écouter par la jeunesse nigérienne. Eh, puisqu'il s'agit évidemment de notre taureau national. Ali Chibili. Hattara Covid-19 virus. c'est de daban da magani. Bonjour Ali, comment tu vas oui, Alors, on tu tabates de Magani. Alors, que serait-on ah, mot à bah, l'égard des jeunes qui écoutent sur cette émission à travers nos radios partenaires pour leur dire que cette maladie, bata de Magani, bata de Magani. Je vous parlé là, Imam Tanassi. Mhm. Tout ça, c'est un zamani, babu, c'est un kaba, mais koudi. Aha. Kowa na takai takai, yau lafiya ake tattali. Ok, kenan yana kama. Yana kama talaka, yana kama mai kudi yana kama mace yana kama namiji yana kama bakin mutum yana kama yana kama hori kuma ah haka nan ne <laughs> Ali, on le sait que tu as toujours été un artiste engagé contre. Euh, comment se résume euh, ton combat dans la lutte contre le coronavirus en clair Qu'est-ce que tu as apporté comme contribution aux euh, personnes en tant qu'artiste qui luttent contre cette pandémie à Zender et au Niger yeah. eh muna ba da gudunmu kai fuskan wannan yaƙi da wannan alloba ta covid-19 ko a ce ko mu ce cutar lumwashi eh da wani ni dai lokacin da aka yi ta dan bazu ta shigo na yi waka fuskan coronavirus na jama'a na gama jama'a ke wannan cutar kowa sani batar magani matakai ɗaya ne kamata mu doka matakai kamata mu na kare kanmu da wannan cuta sun na ci batar magani ke dole na ci matakai da mu kare kanmu kare mu jiji na gama mutane kamar da koyar da kowa ke wani alors Ali dis-moi euh, euh, en tant que membre du bureau régional de Anassim euh, Zender est-ce que le bureau a déjà initié des actions d'ensemble pour contribuer à la lutte contre la Covid-19 si oui lesquelles da sabo yau first eh, in da aka yi shi amma muna so mu tsan zama na tsakanin mu tattauna mu ga wata gudunmuwa kamata mu kawo mu ma da saboda yakin wannan allobar su cikin eh, da ta adabi duniya gaba daya Allah Tibiri Oui, Dandy. Comme à chaque fois, on finit avec euh, le mot de sensibilisation de l'artiste à l'endroit de la population. Qu'est-ce que Ali Atibli a à dire à ceux qui écoutent actuellement par rapport au coronavirus To, ni dai babban bayan da zama jama'a eh, dali kala mutane su ce sai sun gani za su yarda in ka ce ka gani za su yarda to su tota ka leƙa duka abu ɗin da mutane kuma su gane ka leƙa wannan cutarwa masu ƙarfi ma masu ƙarfi ma ƙasashe masu ƙarfi ba ta bar su ba ba su lamu talakawa ba su la wa ba su la su wa ƙasashe talakawa da ba su la abubuwa jiwa. kenan mun yi hattara da komi da duniya ma masu komi da komi masu duka wani matakai wani kayan aiki kuma ba ta bar su ba to kenan mutane su hattara kar ka bari ta kama kawai shi ne ba ruwanka da cewa wani aiko da aka yi yin da aka yi kaza yi kai dai kare kanka kawai. Eh, in jiki rubrique à travers euh, cette rubrique c'est vrai qu'on sensibilise mais on a aussi un peu d'ambiance euh, parce que la, la, jeunesse kiffe aussi la musique alors qu'est-ce que tu vas me faire s'il te plaît Alia Atibili qu'est-ce que tu vas me faire dis-moi propose-moi un truc j'arrête carrément le beat parce que j'ai envie d'entendre toi ta voix en acapella c'est au téléphone c'est chose difficile alors puisque tu n'as pas le beat avec toi fais-moi un truc Alia Atibili s'il te plaît le gars ya fi magani kula da lahiyar mu kun dole ne rigakafi ya yi magani ku zo mu kare kanmu inda magani ina mutane kowa ya yi wagga cutar batta magani rigakafi ya yi magani kula da lahiyar mashi shi ne wajibi kun da ya tsira yo C'était donc à l'instant Alia Chivili depuis la ville des villes, collines depuis Damagara. Ladies and gentlemen, c'est votre rubrique. que euh, L'artiste exprime Covid-19. Eh bien, l'émission de Salafara, la Fara, c'est dans un instant. Restez en notre compagnie. Hey. Eh. les Dewey Borei. boromin kamba ne Nebin masitay respectons les gestes de barrière on connaît. yaji skiyashira Ei.